Madame, Monsieur les collaborateurs du ministre, chers collègues honorables députés, Madame la ministre, on ne portera jamais assez le plaidoyer des femmes compte tenu de leur rôle primordial dans le développement économique et social du Sénégal. Plusieurs aspects ont été évoqués sur la question des femmes. Vous me permettez de rappeler quelques-uns. Le renforcement du leadership féminin, les accès à tous les corps de métiers, y compris les services militaires et paramilitaires, les autorisations financières, leur autonomisation financière et leur protection sociale, la parité qui a garanti aux femmes une forte intégration dans les assemblées sélectives. Madame le ministre, cela prouve que les besoins pour l'épanouissement des femmes dans notre pays sont bien identifiés. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter le président de la République qui a bien voulu renforcer l'intégrité des femmes dans le gouvernement et par ailleurs à confier à des femmes des institutions non moins stratégiques. Madame la ministre, en notre sens, pour pouvoir répondre convenablement aux préoccupations des femmes, il faut mettre un accent tout particulier sur la formation et l'entrepreneuriat féminin en les, élargissant au plus grand nombre. À cela, il doit s'en suivre un accompagnement en outil de production pour une mise en application des compétences acquises. S'agissant de la question des enfants, nous estimons qu'il y a lieu de réactiver la politique nationale de développement intégrée de la petite enfance, en mettant l'accent sur la protection, l'insertion sociale et la réalisation personnelle des enfants. Madame la ministre, si l'on a ñëw di département Bakel C'est communauté rurale qui a dit la communauté rurale boobu noonu lu lu

loolu nag moom tax ma ne maa ngi jàkkaarloo ki yow dinaa la wax pour nga jàppale leen nga def tournée sa tournée yi ngay def nga boole si département Bakel boole si communauté rurale boobu nan bu ñu nan Tiyabo ala maare mu sonin ko ñancafana xadanga lenki mpayitangana ministre de la femme ña nga hakada kibare ke be ko ngindanga ti yakanu ko weni ga Bakel iga village ke be gatini Tiyabo généralement inu no ko ñaawutu igana fimbi ke ana ñana igna ti ku bonondin gonani deke nak aga fumbe kinyani fi nyakinina khari yonki lay tok keng donc mpaga ko ministre ke dang taxana khadema au moins sage femme ou bien ana association asbef ki ga kebe kongo khana ri ina sefe khadang donc ina khirfa ina khana fay khaga nyana mo pour ken khibare ana wase nyana parce que a suifa amunu te leminal lamane donc angama zilemen lama angama conseil kita angama sere kita ga sefe nan dang antel xibar yo ga dabari a feti kundu donc ministre ke fay inshallah mi nga ndako nga danga agara ni tourner dabara na ana ri nonga agana ri nonga xana recevoir siringa ke nyaada gana xana xana mo ko xadanga ay am posu xaga xaga ken yonki nga tokke donc nga nga xamama nga nga merci beaucoup